wareef ak yelleef yi doomi aadama doon na way ci bépp diiwaan doomi xam ta tey nga mën a mooy toppee xem noonu tey ta nga mën a mooy tool yi léegaay xel mi moo war a jiitum ci lu mu nga doog mën a soobum ci li la soob nit ku baax danga war a sàlloo doon agité tey ta xam nga mën a mooy tool yi léegaay bul tëddal ba bël ba Voilà, mesdames et messieurs, merci d'écouter la radio Al-Faïda 90.1. Euh, la radio al vous présente euh, votre émission Khamsa Yelef en partenariat avec euh, la fondation Konrad Adenauer. Khamsa Yelef accueille aujourd'hui Thomas Folk, le nouveau représentant résident de la fondation Konrad Adenauer au Sénégal. On va parler donc des activités de cette fondation au Sénégal et également le dialogue inter euh, religieux, entre autres. Donc, euh, Monsieur Thomas Folk, nous allons donc vous donner euh, la parole pour que vous puissiez vous présenter à nos auditeurs de la radio Al-Faïda. Merci beaucoup pour l'invitation et pour la possibilité d'être ici aujourd'hui avec vous ici à Kaolak et avec Al-Faïda FM. C'est un grand honneur pour moi. Moi, je suis Thomas Folk, je suis le nouveau représentant de la Fondation Konrad Adenauer au Sénégal. Maintenant, je suis suis ici au Sénégal depuis, seulement deux mois. Euh, moi, j'étais au siège de la fondation à Berlin avant. Et là-bas, j'étais le coordinateur pour les questions concernant le dialogue interreligieux et l'islam, parce que comme profession, je suis un islamologue. J'étais aussi en Turquie pour deux ans et demi pour faire des ou pour entendre des différentes langues comme la langue arabe, la langue turque, etc. Et c'est pourquoi aujourd'hui ici à Kaolac le programme c'était euh, extraordinaire pour mhm. moi parce que j'ai vu euh, une ville très dynamique, très émergente et vraiment euh, vous êtes mhm. si vous voulez, le cœur mhm. du Sénégal et c'est impressionnant de vue des différentes activités ici à Kaolac. Ah, donc, euh, Monsieur Thomas euh, Folk, aujourd'hui, euh, que nous vaut l'honneur de votre visite à Kaolac Oui, c'est maintenant mon troisième déplacement ici au Sénégal, si vous voulez. Comme j'ai dit, je suis ici maintenant au Sénégal depuis deux mois et j'étais à Kidougou. Après, j'étais à Thiès et maintenant à Kaolac parce que nous avons beaucoup des activités ici dans la région et notre partenaire privilégié, c'est al FM depuis quelques années avec votre directeur, Monsieur Gay. Nous travaillons ensemble euh, dans une collaboration très forte et nous sommes privilégiés et honorés d'avoir vous comme notre partenaire parce que je sais que, que euh, al FM euh, travaille très professionnel. Mm-hmm. Vous êtes une des très professionnelle station radiophonique ici au Sénégal et je suis convaincu que vraiment al FM peut être un modèle aussi pour des autres stations radiophoniques au Sénégal. C'est pourquoi je vous félicite euh, aussi je je dire mon félicitations à votre professionnalisme. Mm-hmm. Euh, très bien. Euh, donc, Monsieur Thomas Folk, vous êtes le résident, le nouveau représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer. vous avez fait deux mois, n'est-ce pas, au Sénégal, hein, mm-hmm. comme représentant de cette fondation. Est-ce que vous pouvez nous faire donc un rappel, un petit rappel historique de cette fondation Oui, la Fondation Konrad Adenauer est une fondation politique allemande. Nous sommes proches de la partie CDU. C'est la partie de la chancelière Angela Merkel de la République fédérale de l'Allemagne. Et nous avons euh, plus de 120 bureaux dans tout le monde avec euh, une euh, vingtaine de bureaux aussi dans le continent africain. Et ici au Sénégal, nous sommes implantés depuis 1976, euh, ça veut dire ça se fait maintenant 41 ans. Mhm. Et nous sommes très actifs ici au Sénégal dans les différentes sphères, par exemple avec des thèmes comme la décentralisation, mhm. avec des formations pour des femmes des jeunes, des journalistes et des militants de la société civile. Et un thème très important pour nous, c'est aussi la promotion de l'économie privée, aussi que euh, le dialogue interreligieux et la prévention de l'extrémisme. Et nous travaillons ici au Sénégal avec des partenaires, avec des partenaires locaux qui sont très importants et ensemble avec des partenaires ensemble, nous travaillons pour le bien-être du Sénégal. L'homme euh, avec un grand H occupe euh, une place euh, très importante dans vos activités. Peut-on savoir le pourquoi Oui, pour nous, c'est clair que l'homme, le individu est dans le centre de notre travail, si vous voulez, de notre philosophie. Parce que pour nous, c'est euh, chacun et chacune avec ses euh, capacités, possibilités et avec ses talents qui est important pour nous et notre travail. Et nous, comme une fondation, veut euh, soutenir les gens pour développer le pays. Développer le pays. Vous avez parlé un peu dans votre documents que je viens juste de lire, les objectifs euh, de la Fondation Konrad Adenauer. Vous avez parlé tout à l'heure de décentralisation, l'éducation civique et euh, surtout de dialogue interreligieux et interculturel. Qu'est-ce que cela veut dire exactement Oui, c'est euh, clair que le Sénégal, surtout dans la sous-région, est un exemple et est un modèle, si vous voulez, pour toute la sous-région. Parce que le Sénégal est vraiment un pays, si vous voulez, c'est un ancrage de la stabilisation. C'est un pays très stable. C'est un pays ouvert et c'est un modèle concernant la démocratie dans la sous-région. Vous avez des euh, médias qui sont libres, il y a une liberté des religions, il y a beaucoup de partis, hein. il y a presque 300 partis au Sénégal, c'est incroyable. Et je pense que le Sénégal est aussi un exemple pour le dialogue interreligieux. Vous avez euh, au moins 90% qui sont des musulmans ici au Sénégal avec des différentes confréries. Vous avez des chrétiennes et vous avez des religions africaines et il n'y a presque aucun problème. Mm. Et c'est vraiment euh, un exemple parce que si vous regardez les différents pays dans la sous-région, par exemple euh, euh, le Mali ou les autres, il y a des problèmes avec le radicalisme, avec l'extrémisme, etc. Mais ici au Sénégal, les gens vivent ensemble, ils sont des frères et ça c'est vraiment un modèle extraordinaire et je vous félicite pour cet succès parce que c'est un modèle pour euh, le, la, le continent africain, mais aussi pour tout le monde. Euh, selon vous, cet acquis est dû à quoi Oui, je pense qu'il y a certaines spécialités ici au Sénégal et l'islam ici au Sénégal, c'est euh, vraiment un modèle parce que bien sûr, l'islam, tout le monde est paisible, mais ici au Sénégal, il peut vivement être visible que euh, les différents confréries, les différentes religions vivent ensemble et que les extrémistes n'ont pas de chance parce que c'est clair que euh, aussi pour des confréries, c'est euh, l'individu qui est en centre et c'est l'humanité qui est important. Ce n'est pas nécessaire de savoir si une personne est chrétienne ou musulmane, c'est seulement important de voir que chacun et chacune mm-hmm. est une euh, euh, humaine avec une dignité. Et la dignité, ça, c'est le plus important. Mm-hmm. Ce que nous avons comme euh, confrérie, est-ce que vraiment qu'elle ne devrait pas être la voie de salut pour essayer d'endiguer, de résoudre définitivement ce qui se passe dans les autres pays avec l'avancée du terrorisme Ah oui, je pense vraiment que les confréries sont le garanteur, si vous voulez, mm-hmm pour la stabilité du pays. Euh, ce sont euh, eux qui sont vraiment avec leur paisible euh, travail, avec leur philosophie qui contribuent pour la stabilité, stabilité du Sénégal. Et dans l'autre pays, nous avons des différents groupes radicaux et des extrémistes aussi et surtout parce que les gens ne, comprennent, ne comprennent pas l'islam. ils sont des analphabètes religieuse, religieuse, si vous voulez. Et ici au Sénégal, c'est clair que les gens comprennent l'islam parce que les confréries euh, font euh, un travail excellent. Mm-hmm. Ils écoutent euh, et ils font une éducation très efficace pour la jeunesse concernant l'islam et c'est une chose extraordinaire et c'est pourquoi je pense que les confréries et l'islam ici au Sénégal est vraiment un modèle pour tout le monde et pour euh, surtout les pays islamiques. Mesdames et messieurs, vous êtes en train donc euh, de suivre votre euh, émission CLF. C'est un partenariat entre la radio Al-Faïda et la fondation Konrad Adenauer. donc monsieur le représentant, le nouveau représentant résident Kadak au Sénégal de la Fondation Konrad Adenauer. Après avoir euh, parlé euh, donc euh, de tout ce qui concerne le dialogue interreligieux au Sénégal, vous avez donné quelques pistes, à savoir les confréries qui aident un peu le Sénégal à lutter contre le terrorisme, entre autres. Peut-on savoir, avec votre venue à Kaolack, vous avez fait quelques régions au-delà de Kaolack, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la Fondation puisse venir ici à Kaolack, s'installer et appuyer davantage les Merci pour euh, cette question. Oui, pour nous, c'est clair que euh, nous sommes une fondation qui soutient la décentralisation. Et pratiquement, ça veut dire que nous sommes euh, actifs dans les différentes communautés locales, communautés rurales. Et pour nous, la décentralisation est importante de souligner. Et ça veut dire aussi que nous sommes actifs décentralisés. Et pour moi, personnellement, c'est clair que dans l'avenir, euh, nous voudrons et nous devons euh, intensifier nos activités ici à Kaolac pour euh, la formation, par exemple, de la jeunesse et la formation des communautés rurales, de conseils euh, de votre euh, ville ici, concernant des différents thèmes comme par exemple la bonne gouvernance, la gestion et les questions budgétaires, etc., etc. L'acte de la décentralisation, c'est un exemple assez. C'est pourquoi, bien sûr, nous restons un partenaire privilégié pour al FM. Mhm. Comme j'ai dit, euh, euh, je suis convaincu que votre euh, radio, mhm. c'est une des très professionnelles ici au Sénégal. Mhm. Et comme euh, la Fondation, nous voulons bien sûr soutenir votre activité et c'est pourquoi nous restons à votre côté. Euh, donc, euh, on a un peu omis, disons, une couche de la société. Je veux parler des femmes. Dans votre document, j'ai vu que vous êtes en train d'intervenir dans beaucoup de localités et surtout, vous mettez l'accent sur le soutien aux femmes. Peut-on savoir le pourquoi alors, vous avez une population peut-être de 13 ou 14 millions et la moitié, ce sont les femmes. Mhm. C'est pourquoi c'est très logique que nous soutenons aussi les femmes, mhm. surtout parce que euh, les femmes sont vraiment très importantes pour le développement d'un pays. Et euh, il peut euh, aussi travailler et contribuer pour le bien-être d'une société. Et euh, surtout ici au Sénégal, dans la passé, c'était peut-être la situation que euh, la politique n'était pas très active et très euh, incorporée avec les femmes et nous voulons souligner que les femmes sont très importantes, elles sont cruciales mhm. pour le développement euh, d'une société et c'est pourquoi nous euh, sommes très actifs pour euh, promouvoir les droits des femmes et des jeunes, et bien sûr aussi des droits des enfants. Et ça, c'est très important pour nous. Peut-être une euh, dernière euh, question. Vous savez que le Sénégal euh, a mis en place une nouvelle politique publique, à savoir le plan Sénégal émergent. En tant que donc, fondation, en tant qu'ONG, est-ce que votre travail, vous le sentez de plus en plus facile avec la mise en œuvre du PSE Je pense premièrement que le plan Sénégal émergent, c'est vraiment euh, une initiative excellente et euh, importante pour le Sénégal. C'est pourquoi je euh, félicite aussi des institutions publiques pour cette initiative. Il y a beaucoup de différents maintenant projets pour la infrastructure, pour l'infrastructure, par exemple le nouveau aéroport, la route Ilatouba, des ports, etc. Il y a beaucoup des initiatives et c'est euh, pour le développement du pays. Mm. Euh, mais maintenant, c'est très important de souligner que le développement euh, doit être un développement pour chacun et chacun, pour tout le monde, mm. pas seulement pour les élites, mais pour les peuples. Et c'est pourquoi c'est vraiment une initiative qui est importante, mais ça reste maintenant ouvert si le fin euh, va être un succès aussi. C'est la fin de cette euh, émission. Euh, Monsieur Thomas Folk, quel est votre dernier mot Mon dernier mot est que c'était vraiment un jour impressionnant ici à Kaolac. Je suis très heureux d'être ici c'était euh, jusqu'ici mon premier déplacement à Kaolac, mais je peux vous donner mon mot que ça ne reste pas mon dernière fois et que je serai ici plusieurs fois dans l'avenir. Je euh, vous félicite pour votre ville très émergente, très dynamique et j'espère que le développement et l'avenir euh, du Kaolac restent vraiment euh, beau et fructueuse. Et si euh, la ville de Kaolac est fort tout le Sénégal est fort. Merci euh, beaucoup. Donc, c'était notre invité euh, Thomas euh, Folk, le nouveau représentant résident de la Fondation Conrad Adenauer au Sénégal. Mesdames et messieurs, merci. C'était donc votre émission Ramsay un partenariat de la radio Al-Faïda avec la Fondation Conrad Adenauer. À la présentation Moussa Fall, l'émission a été réalisée par El Haj Ibrahim Gaye. Merci à vous, fidèles auditeurs de la radio Al-Faïda. 90.1